Pour 2024. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. C'est un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Rekia Arimi et à ma compagnie Ali Mokela Ousseini, alias Seino. Bonjour. Je vais bien, Raki. Comment vas-tu ce matin Très bien, Alhamdulillah. Et comme d'habitude, faisons un coucou à ceux qui sont de l'autre côté du studio. Il s'agit euh, de Adam Adawaki qui assure euh, l'édition et Seini Isaka à la technique. Alors, euh, Rekia, quel est le menu du jour D'abord, il y a notre flash d'information pour commencer, une euh, rubrique hebdo qui parle d'entrepreneuriat, un reportage régional qui nous amènera à Dosso pour découvrir les danses traditionnelles qui jouent un rôle central dans les rites et festivités des armes et sans oublier la page sport. Et oui, euh, comme invité, chers auditeurs, nous recevons Haliru Daouda. Directeur général de Business Neo Plus NB Plus, avec lui, nous parlerons de la place du business plan dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y aura également de la bonne musique 100% nigérienne pour agrémenter cette émission. Voilà, chers auditeurs, pour commencer, euh, nous accueillons Asumana China avec le flash d'information. Bonjour Asumana. Bonjour Rekia, bonjour Seno, bonjour à tous. Les bonnes volontés continuent à se manifester en faveur des sinistrés des inondations de Maradi. La dernière donation vient du PNUD qui a remis aux autorités régionales un kit de 60 lampadaires solaires accompagnés de batteries, lampes et supports au profit du site de recasement des sinistrés de la ville de Maradi. La représentante résidente du PNUD au Niger, Madame Nicole Kouassi, a indiqué que cet appui entre dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement dans la gestion des sinistres qui a frappé plusieurs familles dans la ville de Maradi. En réceptionnant ces dons, le gouverneur de la région de Maradi le contrôleur général de police Maman Issifou a déclaré que ces dons est le résultat des discussions qu'ils ont eues avec les responsables du PNUD qui ont pris cet engagement. Le gouverneur de Maradi a ajouté qu'au-delà de la lumière qui fourniront que fourniront ces lampadaires, elles permettront aussi de garantir la sécurité de ces sites. Célébration hier 31 octobre de la journée mondiale des villes sous le thème Les jeunes au cœur de l'action climatique et locale pour les villes. À la veille de cet événement, le ministre nigérien de l'urbanisme et de l'habitat, M. Salissou Sahiru Adamu, a plaidé pour l'implication des jeunes dans les politiques de développement durable urbain des villes. Cette journée vise, entre autres, à promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale et à contribuer au développement urbain durable à travers euh, tout le monde. La célébration de cette journée s'inscrit dans le cadre de l'objectif du développement durable ODD 11 visant à rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables. Les étudiants de l'Université d'Ottawa édifiés sur les bienfaits de la santé de la reproduction. C'est à l'occasion d'une conférence débat organisée mercredi dernier par le ministère de la Santé publique et des Affaires sociales sur les interrelations population et développement, santé de la reproduction, planification et capture du dividende démographique. Cette conférence vise à contribuer au changement de comportement pour la promotion d'une parenté responsable au Niger. Elle vise également à sensibiliser le monde étudiantin sur son rôle primordial dans la prise de décision pour le bien-être de la population nigérienne. La conférencière Madame Fatima Mayaki est notamment revenue sur l'impact des normes de valeurs et des croyances sur la pratique contraceptive au Niger. De leur côté, les étudiants ont pris l'engagement de relayer l'information et de continuer la sensibilisation de leurs camarades sur les bienfaits de la planification familiale. Voilà, c'est la fin de ces flashs d'information. Merci, China. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous avons comme invité dans cette émission Hali Dauda, directeur général de Business Neo Plus à NB Plus. Alors bonjour Halirou, merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Merci et bien à vous pour l'invitation sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Avant de donner la parole à notre invité, écoutons d'abord notre premier titre de la playlist d'aujourd'hui. C'est parti avec le titre Envoyez-les à l'école de l'artiste Dawaman. oui, chers auditeurs, la chanson Envoyez-les à l'école de Dawaman transcende les frontières musicales pour devenir un cri de ralliement pour l'éducation en Afrique, en particulier au Niger. L'artiste utilise son talent pour mettre en lumière les obstacles auxquels sont confrontés euh, de nombreux jeunes qui aspirent à l'éducation. Les paroles poignantes et la rythmique entraînante euh, de la chanson captive, euh, captive bien évidemment l'auditeur tout en véhiculant un message essentiel. Dawoman aborde des thèmes tels que la lutte contre l'analphabétisme, la nécessité de construire des écoles et d'investir dans l'avenir de la jeunesse africaine. Il invite également la société à prendre conscience de son rôle dans la promotion de l'éducation. Cette chanson sert à de rappeler vibrant que l'éducation est, est un droit fondamental et une clé pour briser le cycle de la pauvreté et de l'ignorance. Eh en fin de compte, en Envoyez-les à l'école de Dawaman est bien plus qu'une simple chanson. C'est un appel à l'action, une ode à l'éducation et un cri d'espoir pour un avenir meilleur pour les jeunes du Niger et de l'Afrique en général. Elle démontre la capacité de la musique à être un vecteur de changement social et une voix pour les causes importantes. chers auditeurs, après cette pause musicale, à présent, il est temps de nous entretenir avec notre invité du jour. Rebonjour, Halidou Daouda. Euh, pour commencer, vous êtes le directeur général de NB. Parlez-nous brièvement de cette structure que vous euh, dirigez. Très bien, merci de me donner l'opportunité de parler de NB. NB, est une entreprise créée par moi en 2011 qui, au départ, était Niger Business Plus, mais les vicissitudes de la vie ont fait que j'ai dû arrêter les activités pour me mettre dans, à me faire une carrière dans des milieux qui sont plutôt qui visent l'entrepreneuriat et le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, euh, j'ai intégré la coopération luxembourgeoise pour lesquelles, après le coup d'État, les activités se sont arrêtées. Après, je me suis décidé mhm. de relancer NB+, qui était Niger Business Plus, qui est devenu maintenant Neo Business Plus pour dire que nous apportons une nouveauté dans ce qui existait depuis longtemps. Donc, euh, <clears throat> excusez-moi. Donc, euh, Neo Business Plus est une structure d'appui et d'encadrement qui fait la promotion, qui encourage les jeunes à l'entrepreneuriat et qui les accompagne à la croissance de leur entreprise. Euh, nous, nous sommes spécialisés euh, dans tout ce qui est digital. Aujourd'hui, pour qu'une entreprise puisse fonctionner, il lui faut nécessairement vendre. Mhm. Et nous voulons amener les entreprises à apprendre à vendre à travers le numérique et à travers le digital. Donc, nous leur apprenons le marketing digital, nous leur apprenons la communication digitale mhm. et nous leur apprenons surtout à lever des fonds, à gérer bien et à structurer leur idées en entreprise et soutenir l'entrepreneuriat de manière générale. Nous faisons aussi des événements qui entrent dans le cadre de la sensibilisation et de l'éveil entrepreneurial parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école, qui sortent diplômés chaque année, mais qui n'ont pas un avenir reluisant, ils ne savent pas s'ils doivent travailler ou où est-ce qu'ils peuvent travailler ou pas. Mm-hmm. Et donc on se dit qu'il faut, dès l'université ou dès l'idée, leur permettre d'avoir des réflexions axées sur l'entrepreneuriat et ainsi donc on pense que plus tard on pourra contribuer à l'émergence de champions en entrepreneuriat. Mm. Super. Alors, Alarou, euh, avec vous aujourd'hui, c'est prévu que nous parlions en tout cas de, euh, du plan business alors, quel est le rôle essentiel euh, d'un business plan dans le lancement d'une entreprise Très bien. Je, ne vais pas parler du rôle essentiel, je vais parler des rôles essentiels parce qu'il y en a plusieurs. Euh, le business plan est un outil qui permet d'abord aux entrepreneurs de d'effectuer un travail de recherche sur leur activité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans la production ou dans la technologie, dans la production maraîchère ou dans la technologie, mais qui ne connaissent pas la base. Et donc le business plan va leur permettre de faire suffisamment de recherches pour maîtriser l'environnement dans lequel se situe l'entreprise, mais aussi maîtriser le métier de cœur. Parce que souvent on se lance, on apprend dans le temps, et on fait des erreurs, mais le business plan est un outil de recherche sur comment fonctionner, comment produire, comment ou de quel équipement j'ai besoin, combien ça coûte et ainsi de suite. Donc le premier rôle du business plan, c'est un outil de recherche. Le second, c'est un outil de communication parce que lorsque un porteur de projet, il maîtrise son business plan, il a une certaine facilité à communiquer autour de son projet et enrôler le maximum de parties prenantes. C'est facile pour lui quand il maîtrise son plan d'affaires d'avoir des partenaires mhm. au début parce que pour celui qui débute, si la communication n'est pas claire, ça ne va pas être évident. Donc il est important à travers le business plan d'avoir une méthodologie, une chronologie dans la communication qui puisse faciliter différents partenariats, que ce soit dans la recherche de collaborateurs, dans la recherche de clients potentiels, dans la recherche de partenaires stratégiques et tout. Donc il est important d'avoir cet outil pour pouvoir bien communiquer. Puis le business plan est un outil qui permet aussi de se fixer des objectifs parce qu'on fait des prévisions, des prévisions financières, des prévisions euh, de production, donc techniques, mais il se trouve que très malheureusement, beaucoup euh, de prévisions ne sont pas suivies. Donc quand on sait où on va, on se fixe des objectifs, on va travailler tous les jours à les réaliser. Et ça, ça contribue fortement à réaliser euh, des, bonnes choses en entreprise. Donc voilà en gros les différents outils, les différents rôles. Non, désolé, il y a aussi le, le, la levée de fonds parce que souvent des entrepreneurs sont confrontés à l'élaboration du business plan pour avoir du financement. Souvent, les partenaires demandent s'il y a un business plan, quelles sont les prévisions, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça marche avant de pouvoir financer. Donc, c'est un outil aussi qui permet de lever des fonds. Voilà, Haliru euh, avant de continuer cette discussion, nous allons passer à un moment tant attendu de chaque vendredi la revue de la presse. Et nous accueillons Rafika Ataher pour nous éclairer sur le fait marquant de la semaine. Bonjour Rafika. Bonjour à tous, comment vous allez Bien, merci. Alors, Rafika, lundi 28 euh, octobre, c'était la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire nigérien. Édition du lundi 28 euh, du studio Kalango. Effectivement, euh, c'est nous. Après quatre mois de vacances, les élèves ont et enseignants ont repris le chemin de l'école lundi matin pour la rentrée scolaire 2024-2025, une reprise prévue sur toute l'étendue du territoire national. D'un point de vue d'ensemble, la rentrée a été effective en majorité dans tous les établissements scolaires du pays, exception faite à Filengue dans la région de Tilaberi. Pour commencer, le lancement de la rentrée des classes a eu lieu au niveau du CES Mayaki Namailaya. Cependant, certains établissements secondaires de la villes ville ont été délocalisées pour raison d'inondation et d'autres du niveau primaire sont inaccessibles. Quant à Torodi, de la même région, malgré la fermeture de la grande majorité des écoles pour des raisons sécuritaires, certains ont quand même pu ouvrir leurs portes. Direction Tirozérine où cette reprise des classes s'est bien déroulée. Par contre, selon les acteurs de l'éducation, les jeunes filles étaient moins présentes. Et par ailleurs, pour les préparatifs de cette rentrée scolaire, constat fait à Niamey, les fournitures étaient disponibles disponible et accessible à tous comparativement à l'année dernière. et la société Starlink signe un accord de fourniture d'Internet à haut débit, mis en ligne le 29 octobre 2024 par l'ANP. Oui, Rekia, le Premier ministre euh, Mohamed Laminzen a supervisé mardi 29 octobre 2024 la signature d'un accord d'exploitation de la licence du réseau de technologie satellitaire Starlink au Niger. Cette technologie va permettre au Niger d'avoir une connexion de très haut débit. Pour le gouvernement, c'est une prouesse très importante qui nous permettra de rattraper les retards et la facture numérique au Niger où toutes les contrées sont ouvertes. La constellation des pieds de satellites de Starlink va nous permettre d'avoir la connectivité et échanger des données partout au Niger. Selon le ministre de la Communication, quelques objections ont été soulevées par rapport à la sécurité, mais la société va appuyer cette sécurité aussi au niveau de la vérification de certains points. Pour Actu Niger, dans sa parution du 30 octobre 2024, depuis plusieurs mois, l'accès à Internet au Niger fait l'objet de vives critiques de la part des utilisateurs. Les plaintes sont nombreuses, on peut citer la connexion extrêmement lente, interruptions fréquentes et pire encore un coût qui reste largement inaccessible pour beaucoup une situation qui a touché l'ensemble des fournisseurs Internet opérant dans le pays, limitant sévèrement l'accès aux services en ligne et aux opportunités numériques pour des millions de citoyens. L'arrivée de Starlink pourrait ainsi marquer la fin de ces frustrations. Alors, le géant français Orano quitte le Niger. Le gouvernement d'Abdraman Tiani a réussi son coup selon Actu Niger le 28 octobre 2024. Le groupe nucléaire français Orano a annoncé la suspension de sa production d'uranium au Niger, indiquant son incapacité à fonctionner. Dans un communiqué, la porte-parole du groupe français présent au Niger depuis 1971 et récemment déclaré persona non grata a indiqué que les difficultés financières croissantes de la filiale minière Orano Somaïr vient contraint la source avait contraint la société à suspendre ses activités à Arlit au nord du Niger. En effet, Orano, qui détient 63,4% des parts de la Somaïr, a annoncé que la société cesserait ses activités à compter du 31 octobre 2024 à raison de la détérioration de la situation financière de la Somaïr. Pour rappel, le 11 juin 2024, le ministère des Mines de Niamey a annoncé que le permis d'exploitation d'Orano sur le site d'Imouraren serait retiré et restitué à l'État. Suite à cette annonce, seul l'unique gisement d'Erlite, la Somaïr, restera dans le giron d'Orano après la fermeture de Cominac en mars 2021 suite à l'épuisement des ressources une décision jugée sans objet par la Sopamine qui s'oppose à Orano sur la suspension de l'uranium de Somaïr, rapporte Info. La Sopamine qui détient les parts restantes de la Somaïr a exprimé le 31 octobre son désaccord dans une note adressée au directeur général de la Somaïr. Dans ce document, Gaïa Sabiou, le directeur général de la Sopamine, souligne que la suspension des activités de la Somaïr viole les accords de gouvernance et les pratiques essentielles de partenariat entre les deux actionnaires. La Sopamine rappelle que toute décision stratégique, notamment concernant l'avenir de la Somaïr, doit être prise conjointement et non unilatéralement. Elle considère cette décision comme sans objet, d'autant que l'État nigérien, par le biais de la SOPAMINE, a récemment mis en place des facilités de trésorerie pour permettre à la Somaïr de surmonter ses difficultés, notamment par l'achat de 210 tonnes d'uranium. Et voilà pour la revue de cette semaine. Merci, Rafika. Chers auditeurs, euh, voilà, c'était là la revue de la presse. Euh, à présent, nous allons continuer la discussion avec notre invité du jour, Halirou Daouda. Je rappelle qu'il est directeur général de Business Neo Plus NB. Avec lui, nous parlons de la place du business plan dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, M. Euh, monsieur Halirou, voilà, quelle est la place du business plan dans l'évolution d'une entreprise? Très bien. Le business plan, euh, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un outil qui est élaboré au début. À l'idée déjà, il faut commencer à travailler sur le business plan. Lorsque l'activité commence, il faut encore regarder le business plan et actualiser par rapport aux prévisions qui ont été faites. Mm-hmm. Et lorsque l'entreprise veut passer à l'échelle ou passer à une phase de croissance, on doit aussi réévaluer le business plan de manière périodique et s'assurer que l'activité se déroule bien. Donc le business plan, quelle que soit euh, la période du début en activité ou en croissance, qu'il s'agisse d'une expansion pour aller s'installer dans une autre région ou dans un autre pays, il faut retravailler le business plan. Ce qui fait que c'est un outil, c'est un compagnon, c'est un ami de l'entrepreneur mm. avec lequel ils doivent marcher, ensemble. Tout à fait. Et quelles erreurs fréquentes observez-vous dans le business plan des jeunes entrepreneurs et comment les éviter Très bien. Les jeunes entrepreneurs souvent font beaucoup d'erreurs dans l'élaboration du business plan. Les premières erreurs commencent par le fait de déléguer la réalisation du business plan. Mhm. En vrai, le business plan, c'est un outil assez difficile, assez complexe à réaliser. Ça prend du temps, il faut se donner du temps. Ce n'est pas une prestation, parce que c'est votre activité. Vous n'allez pas payer quelqu'un qui va faire un business plan à votre place, vous devez plutôt faire avec lui. Évitez de le faire très rapidement parce que vous allez à coup sûr passer des étapes qui sont clés. Mhm. Et puis, euh, des erreurs, ce que dans les prévisions, souvent on pense que ce qui se passe en Chine ou aux États-Unis peut être adapté ici, oui. Mais est-ce qu'on l'adapte correctement mm. Très souvent, on ne l'adapte pas parce qu'on se dit que, bon, euh, ce, qui, ce qui est faisable ailleurs est aussi faisable ici, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a des particularités du pays national à nous qu'il faut intégrer dans cette adaptation, sans compter le fait que euh, dans un business plan, souvent, on fait, on rêve beaucoup, on rêve grand, on se <laughs> dit que euh, si je produis un téléphone, je pourrais le vendre au même prix qu'un iPhone, tout ça, sachant qu'iPhone, ils ont déjà une histoire, ils savent, enfin, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait, et donc il faut rester très, très pessimiste sur les prévisions financières mm. parce que ça va être plus facile dans la réalisation. Mm très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Alors, pensez-vous qu'il est possible de réussir en affaires sans business plan Dans quel cas spécifique, par exemple Oui, il est possible, il est arrivé. Il est arrivé que les gens, parce qu'ils ne maîtrisent pas ce que c'est qu'un business plan, réussissent dans l'affaire et sans élaborer le business plan. Mais euh, j'imagine toujours qu'est-ce qu'il en serait s'ils avaient un business plan. Donc euh, c'est possible, mais c'est encore mieux d'avoir un business plan. Ça permet d'aiguiser sa vision et surtout de, faire de bonnes prévisions. Donc euh, quelque part, euh, c'est possible, il est arrivé que des gens fassent et réussissent en entrepreneuriat sans business plan, mais à un moment, ils seront confrontés à le faire. Euh, Alors, Haliru, comment NB euh, Plus accompagne-t-il les entrepreneurs dans la rédaction de leur business plan Très bien, nous avons des experts. Euh, tout récemment, pour la région de Dosso, nous avons fait 641 business plans avec des jeunes. Wow. cette semaine, nous avons organisé le grand débat entrepreneurial sur le sujet du business plan à l'université, à la place AB de l'université Abdou pour les sensibiliser pour leur dire réfléchissez sur vos idées de projet, mais travaillez sur vos business plans et nous avons des experts disponibles qui peuvent aider les jeunes à pouvoir élaborer leur plan d'affaires. Et un dernier mot pour euh, la jeunesse nigérienne. Eh oui, bien évidemment, qui à l'écoute actuellement. <laughs> Bien sûr. <laughs> Un mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. L'entrepreneuriat pourrait être une solution. C'est clair que tout le monde ne peut pas réussir en entrepreneuriat. Mais comment on saurait si on n'essaye pas On essaie. Donc il faut oser. Moi, ce que je dis aux jeunes, c'est d'oser, c'est de, s'essayer à l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Au pire des cas, on gagne en expérience. Un entrepreneur, il est comptable, non, il est expert comptable, il est ressources humaines, il est communicateur, il fait du marketing, il est technicien, il est coursier, il est tout. Mhm. Et les jeunes du Niger ont beaucoup de capacités. Donc, euh, essayez-vous à cela. Peut-être que vous allez être expert en RH, par exemple, et être recruté par une grosse boîte plus tard, si mhm. jamais ça ne mhm. marche pas. Mais n'attendez pas, faites quelque chose. C'est mon dernier mot pour la jeunesse nigérienne. Merci, <laughs> C'était un plaisir euh, d'avoir cette conversation et conversation enrichissante avec vous. Et merci vraiment. Merci à vous. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Voilà, voilà, chers auditeurs, avant de continuer cette euh, émission, soufflant un peu. Voilà, nous allons prendre une petite pause et puis on revient juste après. <laughs> Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nous passons à présent à la rubrique entrepreneuriat. Faisons un tour à Maradi où s'est tenue du 16 au 20 octobre 2024 la huitième édition du Forum national de l'autonomisation, pour l'autonomisation des femmes et des jeunes FONAF. En effet, Rekia, notre envoyé spécial Habibou Garba a rencontré euh, la directrice du groupement des femmes pâtissières et restauratrices de Maradi, un groupement qui milite pour le bien-être des orphelins. Écoutons Madame Algumaret Fajimata. Je réponds au nom de Madame Algumaret Fajimata. Euh, je suis euh, la directrice du groupement des femmes pâtissières et restauratrices de Maradi. Nous avons amené pas mal de choses, des épices, euh, de tout ce qu'on fait, des transformations agroalimentaires en général, tout ce qui concerne la pâtisserie, les trucs de la restauration. C'est ce qu'on a amené. Alors, comment ça s'est passé euh, On peut dire, alhamdulillah, les clients viennent de partout, elles payent tout ce qu'on a amené. Donc, euh, on peut dire qu'on est satisfait. Alors, euh, parlez-nous de la vie du groupement. Comment vous êtes constitué en groupement et pourquoi un groupement des pâtissiers et des restaurateurs de Maradi Nous nous sommes constitués en groupe parce que on a constaté qu'on fait les mêmes choses. Et on avait un objectif commun qui est celui d'aider les jeunes filles. C'était vraiment ce qui nous a motivés à créer ce groupe. Nous, nous sommes là pour récupérer des jeunes filles orphelines qui ont abandonné l'école. On essaie de récupérer à travers toute la ville de Maradi ces jeunes filles-là. On les regroupe avec ce que nous, nous avons comme fonds, ce que vous avez vu là. Quand on vend ça, c'est avec cet argent-là qu'on utilise pour récupérer ces jeunes filles. On leur apprend des AGR, donc des activités génératrices de revenus dès le bas âge. On récupère des enfants qui ont l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans. Donc on leur apprend tout ce que nous, nous faisons là pour qu'un de ces jours, qu'elles soient libres elles aussi à exercer. À la date d'aujourd'hui, vous avez formé combien euh, de jeunes filles orphelines Ils sont une vingtaine que nous avons eu à former ici même au centre Gaudia. Donc on a fait pas mal de requêtes, mais on n'avait rien eu en ce temps parce que c'était notre première fois. Donc nous-mêmes, nous avions cherché à travers la ville les connaissances des filles qui ont abandonné l'école, qui sont là et qui sont des orphelines. Nous les avons regroupées, on leur a fait une formation d'une semaine. Après, on leur a remis des attestations qui peuvent leur servir à exercer plus tard. On voit avec des épices, des jus et bien d'autres choses ici euh, au FONAF c'est le groupement encore qui fabrique ça ou bien c'est vous-même Moi, j'ai ce que j'ai amené et le groupement aussi. Donc euh, pour le FONAF, cette fois-ci, c'est qu'on a fait, chaque femme a amené quelque chose qu'elle fait elle-même. On ne s'est pas regroupé pour faire la même chose du groupement. Par exemple, moi, j'ai les épices de mon entreprise individuelle qui est Falguni Cuisine. J'ai amené les épices, il y a des légumes rares là que j'amène. D'autres ont amené des trucs de pâtisserie, des hamburgers, des shawarma, des pizzas, des samoussas. Il y a pas mal de choses que toutes ces femmes-là ont fait individuellement pour amener au FONAF. Maintenant, FONAF, euh, qu'est-ce qui vous a marqué le plus euh, pour euh, cette huitième édition Vraiment, on est contente parce que les clientes, on a lancé un appel et la population de Maradi avait répondu à cet appel. Donc c'est vraiment ce qui, nous anime. C'est vraiment l'appel qui a été lancé et qui a été répondu. Et quel que soit l'endroit où ça va se faire, Inch'Allah, on est de mèche, on va se déplacer pour y participer. Euh, l'appel que j'ai à lancer pour notre groupement là qui est là, s'il y a des organismes qui vont entendre ce cri d'appel là, c'est de nous aider. Vraiment, comme vous savez, dans tout Niger, la maladie, c'est la ville où il y a, machallah, trop d'enfants et trop d'abandon d'école. Donc, dans ce contexte, nous, notre groupement est en train de récupérer ces jeunes filles-là, qui est d'aller mendier. Donc, euh, si on essaie de regrouper ces jeunes filles-là, de leur apprendre quelque chose qu'elles vont faire et de se tenir elles-mêmes un de ces jours, je pense que ça va être vraiment un truc de gagnant à tous. Voilà, c'était là Madame Algoumaret, euh, la présidente du groupement qui milite pour le bien-être des orphelines. Rakia, faisons un coucou à nos auditeurs qui nous écoutent à Maradi à travers la radio Saraunia et Garkoua. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique entrepreneuriat. Avant de continuer cette émission, nous allons encore souffler à musique, n'est-ce pas, Seino Oui, Rekia, le prochain euh, sur la liste est le son euh, d'Amiral JC avec le titre Toujours un vide. C'est parti. Il y a toujours C'est ma life. Elle a vraiment besoin de cette C'est ma elle avait mon besoin de celle-ci. Je n'ai jamais voulu rechanter, j'ai voulu rester dans ma vie. Les années passent, j'ai constaté à y toujours C'est ma life, elle avait mon besoin de celle-ci. Quand il laisse ma carte, c'est ma life, elle avait mon besoin de celle-ci. Quand il laisse ma carte, petit à petit ma tête au milieu du chemin. À quoi s'attendre, à quel geste Même pas grand chose, mais ça serait trop bien. Mon expérience fait comme mon espoir. Mon bref passage, je frappe son histoire. Tu vois, je prends pas les avenues. Oui, je longe toujours les raccourcis. Parce que ma vie c'est rétrécie, donc chaque moment vécu, moi je l'apprécie. Un jour viendrai, je serai énorme. Que l'image soit blonde, Le reflet dans le de cet homme ce qui s'est barré avec beaucoup de temps de fake. Dans un état de plus de lucidité. Laissez épanouir mes pensées. Je voulais rester dans ma vie. ça n'est pas. Et oui, voilà, cher auditeur, Amiral JC, de son vrai nom, euh, Mahaman Dadje, Amadou Touré, il est né euh, le 2 janvier 1986 euh, à Niamey, au Niger. Il embrasse la musique à l'âge de 14 ans. Rappeur, compositeur, acteur, chanteur, parolier et producteur, Amiral JC est membre de NKN, un collectif de rap nigérien regroupant des rappeurs se produisant au label Corture Production. Il compte à son actif deux albums avec le groupe Bagazam et des singles avec NKN. En 2016, il fait son premier concert solo dans la grande salle du Palais des Congrès de Niamey. Depuis 2020, l'artiste Amiral JC s'est éclipsé de la scène musicale pour se consacrer à sa profession d'agent commercial. Voilà, chers auditeurs, euh, toujours un vide, c'était là le titre de cette belle chanson musicale que vous venez d'écouter. Et nous voilà de retour au studio. Après cette pause musicale, nous allons passer au reportage région, n'est-ce pas, Rekia? Bien sûr, c'est nous ce matin. Nous allons faire un tour à Dosso pour découvrir les danses traditionnelles qui jouent un rôle central dans les rites et festivités des Armas. Et oui, Rekia, la région de Dosso est le centre historique qui abrite le palais du sultanat de Dosso, symbole de l'art de l'aristocratie locale. Les armes euh, principales, groupes ethniques de la région, pratiquent plusieurs danses traditionnelles qui jouent un rôle central dans leurs rites et festivités. Eh bien, suivant ce reportage de Nana Hadiza Hassan sur le sujet. da rawa na gargajiya dai a nan jihar Doso abin ban sha'awa ne kana abubuwa ne da ke ɗaukar hankalin masu kallo a kowane take na rawa yana kumshi da labari ko kuma aika sako ko kuma tuna da wani abin tarihin da ya gabata kuma galibi rawar tana tare da kiɗa na kalangu sarewa algaita goge da dai sauransu a wasannin kiɗa da rawa na gargajiya mamu amadu ta yi mana bayani kamar haka wallahi wo to ni dai in na kasance inda aka buga ganga kiɗin da ke sa in cashe dai an na farin tutu farin kal yana shiga jikina ne ko kuwa aka buga kiɗin kurhayawa wanda ake cewa tsoron baya na kurhayawa ga kyawo kuma ga hali to in dai aka buga shi duk inda nake wani abu nake ji yana tashi cikin jikina sai na taka ko ba ni iya rawa to an buga ganga duk wanda ya waye ya san me ake nufi in masu buga ganga kuma suka yi magana kuma wannan a duka duka amma yanzu gangan ma ce aka bar yayi zamani ya canza sai kiɗin gwangwani. Amma Kulaisu ya faɗakar da mu a kan kala-kalan ruwan da aka gada a nan jihar Doso na gargajiya daban-daban kuma amfanin su. Idan aka ce rawa kenan an kawo maganar kiɗi babu rawa idan babu kiɗi amma ana iya rawa idan aka girshe ka ko babu kiɗi. Akwai cikin al'adunmu a taɓa a rawa abinda muka tashi da shi kenan tun canza a fagen wasa. Idan ka ji an ce kalangu abu ne da aka yi da fata idan ka ji ana taɓi ko rawar da ta dace da shi kamar maɗarkwacin gayya da sauransu duk waɗannan ana taɓi ne ana yin su amma makaɗa na yin su al'ada iri da yawa ce. har ila yau hamma kwaleji ya ba mu dan takaitaccen bayani a game da wannan aiki na kiɗan gargajiya na kalango a cewar sa abu ne da aka yi watsi da su tana kuma suke tabbata cewa a yankin idan ba mu yi hankali ba kiɗa ne ma zai ɓace muna latizawa na mutuwa matasa ba su son kiɗi kuma idan ba ka son al'adarka kenan ba ka son kanka da kanka idan ka duba a ƙasar mata da su salon kiɗa guda ne babu wani sauyi da ake samu idan ba an koma wajen sarakuna ba sarakuna su zage damtse idan an yi maganar al'ada maganar sarakuna ce al'adun nan a farfaɗo da su idan sarakuna suka tashi tsaye dole gwamnati ta sa hannunta baka cewa dan ka bai zuwa wajen wasannin al'adu cikin gari a takaice dai raye-rayen rawa na gargajiya a nan jihar dutso abu ne da aka gada a tun fil asal kiɗa da rawa abu ne da ke sanya nishaɗi a zukatan masu kallo da sauraro Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, c'est nous et c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hasumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Rekia, bonjour Seno. Bonjour, euh, tonton Gourouz. Oui. <laughs> Alors, nous commençons cette page sportive avec euh, le démarrage du tournoi des grandes vacances de Torodi, n'est-ce pas Oui, et c'est la première édition d'un TGV dans cette localité qui a débuté mercredi dernier. 11 équipes venant de tous les quartiers de Torodi participent à ce tournoi. C'est l'association des jeunes dénommée Tabo moban qui a initié cette rencontre à l'intention de la jeunesse. C'est une occasion pour rassembler des jeunes autour des valeurs telles que le respect, la solidarité, le fair play, l'unité et la cohésion sociale, a martelé le président du comité d'organisation dans son intervention lors de l'ouverture de ce tournoi. les phases qualificatives du championnat d'Afrique des Nations Chang 2024 s'ouvrent ce vendredi 1er novembre 2024 avec le match aller du premier tour éliminatoire. Oui, y a neuf matchs sont au programme. Pour le compte de la zone fois B, il y aura la rencontre Togo-Bénin. C'est d'ailleurs la seule rencontre pour cette zone le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria sont programmés au second tour. Le Rwanda tentera d'arracher une victoire sur ses installations avec euh, Djibouti. Lesotho, Namibie, Soudan, Tanzanie, Éthiopie, Érythrée, Soudan du Sud, Kenya et Sierra Leone, Libéria. Alors, euh, quelle est la sélection qui a remporté euh, la première édition du clan voilà, sinon, euh, c'est la République démocratique du Congo. C'était en Côte d'Ivoire devant le Ghana en finale 2 buts à 0. La dernière édition du Chan a été remportée par le Sénégal en Algérie devant le pays organisateur au tir au but. Voilà. pour le sport d'aujourd'hui. Et à lundi, bon week-end. Et vous avez assuré sans lever correcteur. Merci beaucoup. <laughs> Merci, infiniment. Merci Gourouza et excellente journée à vous. Place à présent à la partie portrait et dans euh, le portrait du jour, nous irons à la découverte de ramatoulay Diop, voilà, si c'est, n'est-ce pas, Rekia Bien sûr, c'est nous. Elle est médecin généraliste et également directrice générale de la clinique Afoua de Niamey. Ramatoulay est engagée dans la lutte et la prévention du cancer du sang, du col de l'utérus et de la et voilà, chers auditeurs, écoutons son portrait. C'est réalisé bien évidemment par toi-même, <laughs> Rakia. Âgée de 58 ans, docteur Ramtelay Job Sissé, médecin généraliste, directrice de la clinique Afoua et mère de quatre enfants et grand-mère de cinq petits-enfants. Après avoir été frôlée par le cancer du sang, docteur ramtelay est l'une des femmes les plus engagées dans la lutte contre le cancer au Niger. Elle nous raconte son engagement la lutte contre le cancer ou contre toute pathologie, c'est vraiment notre essence, nous les médecins, d'une manière générale, quelle que soit la pathologie, on est formé, on est sensibilisé pour faire de la lutte. Contre le cancer particulièrement, moi, c'est une lutte personnelle que je veux faire partager et faire bénéficier aux gens. Moi, j'ai été atteinte d'un cancer du sein en, 2019. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de tous les traitements. Et avant même de bénéficier des traitements, j'ai eu la chance, de par ma formation, de pouvoir le détecter tout. Et si aujourd'hui je suis là à vous parler et je suis en état de rémission, c'est parce que j'ai eu un cancer qui a été détecté tôt. Donc, je sais combien la prévention et la, le dépistage précoce sauvent des vies. Ce n'est pas seulement les médecins qui doivent le savoir. Mon rôle et mon rôle de tous mes confrères, c'est de sensibiliser les femmes sur le dépistage précoce. Parce que comme je vous dis, un terme cancer dépisté tôt, c'est un cancer qui se soigne. Plus tôt vous êtes dépisté, plus vous avez des chances de survie, moins vous avez des mutilations, parce que malheureusement, quand le cancer est découvert à un stade plus avancé, ça peut entraîner ce qu'on appelle par exemple une mastectomie. Pour une femme, c'est terrible de perdre un sein. C'est sa féminité qui peut être mise en jeu. Donc l'importance du dépistage précoce, c'est mon combat, c'est mon, mon cheval de lance. Octobre rose, novembre bleu, sont des mois dédiés à la prévention, à l'information et à la sensibilisation qui visent à promouvoir le dépistage et le soutien des personnes touchées par le cancer. Cette année, c'est une campagne particulière, affirme Dr Ramtelai Job Sissé. Cette année, on a une campagne particulière. Ce n'est pas qu'octobre rose, ça a été couplé à novembre bleu. Mhm. Parce que le cancer du sein, les femmes commence à le savoir. Les hommes ne sont pas sensibilisés au cancer de la prostate. Donc cette année, notre campagne, on l'a faite octobre rose, novembre bleu, deux mois, deux causes, une mission, pour que les hommes ou que novembre bleu bénéficie de la notoriété d'octobre, pour que les hommes comprennent aussi l'importance du dépistage. Pour cette campagne octobre rose, novembre bleu, on avait prévu de dépister 2000 personnes. À la date du 20 octobre, on était à près de 1600 personnes dépistées. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'on ressent. Ça veut dire que notre message est en train de porter. Et notre message porte. Pourquoi Parce que derrière, il y a des institutions comme Studio canon qui l'ont diffusé et qui ont fait en sorte que les gens soient sensibilisés. C'est le fait ici pour moi de remercier les médias dans le rôle qu'ils jouent et une motion particulière à Studio Calon. Les 1600 dont je vous parle, mhm. c'est les femmes. Les hommes, ça vient, mais ça vient à petits pas. Je lance un appel aux hommes également pour qu'ils profitent de cette période, les hommes de 45 ans et plus, pour qu'ils profitent de cette, cette campagne pour également se faire dépister. Je rappelle aux hommes et aux femmes que la campagne continue jusqu'au 30 novembre. Il ne faut pas que les femmes pensent que octobre c'est terminé, elles ne peuvent plus se faire dépister. Ou que les hommes pensent que novembre n'a pas commencé, on ne peut pas se faire dépister. Pendant les deux mois, les hommes et les femmes continuez à vous faire dépister. Docteur Kako Dile Mariama, médecin généraliste à la clinique Afoua, apprécie les engagements et le courage de sa collègue Docteur Ramtulai Job Sissé. La directrice de la clinique Afwa est vraiment une femme dynamique. Son ardeur au travail et son souci de travail bien fait m'impressionne beaucoup. Son professionnalisme, sa gentillesse et son expertise ont eu un impact énorme sur ma carrière et je suis honorée de travailler sous sa direction. C'est une femme qui aime la compétence et elle fait régner la compétence et le respect au sein du personnel à foi. Ramtulai Job lance un appel à l'endroit de toute la population à aller se faire dépister. Car si la maladie est détectée très tôt, la prise en charge suit et cela va minimiser les risques, a-t-elle conclu. Voilà, chers auditeurs, c'était le portrait de Ramatoulaye Diop Sissé, médecin généraliste et également directrice de la clinique Afwa de Niamey. Chers auditeurs, un autre tour en musique avec le titre Bombardier. C'est un featuring entre le groupe Onens et Berekwe. à nous. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était l'artiste, euh, disons plutôt le groupe euh, Onens en featuring avec le groupe Berekwe qui a donné ce titre Bombardier. Alors, Rekia, quel est le thème du loti d'aujourd'hui Eh bien, c'est nous, dans la chronique loti de ce vendredi, nous parlons d'un problème qu'on rencontre dans certaines écoles, et une exploitation des élèves qui ne dit pas son nom par certaines enseignantes pendant les heures de classe. En effet, c'est un constat qui nous montre que des élèves sont utilisés pour des petits commerces ou des travaux domestiques. Alors que c'est un acte, cet acte, bien évidemment, est une faute grave selon les textes de la Direction nationale de l'éducation. Écoutons Rakia vous-même et Samira Rouafi. alaikum. Wa alaikum assalam furo maino. A'a ai kyogala matress. Matin ga hamu. Ba ni gihin gati. Da zan kai wo gogin gai kyauyen ai te matka himanda isi gi forai dan ira. Gun irkoi sai ika yai matki ga himanda. Ayyuwa wa sai sai wallahi. Haba ai kyoga. Ni mgin bon hano gina. Mangano masala wo gofun. Ifo sai non lokoli go hayi wote. Amon tom ni mi ha me ni mo. Nyangai talino me. Ha? Kisi mo dan i wani kyauyen ai ga. di kwaifu ayya dai aiwa gi ke wanda matsuka himanda hmm. hagino kan ga fala nim ne ba fo tali gaga amma ni woni sidi ni wono to aiwa man tuwa no kan dai ai man tagan lokolo ya marko to ki ai sai fo no katani ai wana klasora madalla ai mai ne zakan lokolo sintin nigin lokoli zai sambani kwara im koi ga habugu tusun da hankan himanda tenisi ifo manoni ma wone kai gina ai mamba ine mboda koi ne ni go ginne gan diz ken ken fo ente lakwal. ni lakol zai mono go ga tenisi ni ma no ise mi ko ga ne ga lakol izi gere ise wone mboga hingi gangi chawya laure wone wo ga kwanda barnisi hay kan ay go ga te ay kala sora asin guna walla hasin guna ko ne mu manti kyawe ngo wata no ay go gidan goyi dira iwan fulan zamai kai na ki gino guruwai a rana gidan goyi kai na fo ko ne mu hanfoyen mu ka daidir zumbula lakwal. hey wo ai di yanga asilan bi wani gafa hey wallahi so ni bon gafa to son da haifo duwai motu koy gi kar di ifo no nigi hingani hay kul no si di ir koy ba nigi bai kan ai kwar gone da lokolo banda koy ne mo fu goyo ki gi taise asi sambu he ni wa sefa ni sintinga se to na ni se sanifo sagu so kan ga de da cauyan kai ni kai nai kala bo kunno sindi inci kanga zanka donton ama fattala kwalwara bada iwan loka mai lokaci warano aman hagu zamdin te yadin wo ni fuk iwan alhakora wadin momente koyin mu zeni go amfani da zanka yawa no rice ciyan maga ifo no ni go rice sewo koi ne yadin gani ba gane igai garai lokolowara hey ci hankan ai manci ni ma ai da dai ne ni sai mahagwai ni min goyo temo matakan a himada ni kwai gudu masala ne kwai kaina to la sabu didi ne inspector goka walmo maitresse ya morka yi kanan gogin ga imye kagar mu lakwali zai si ingai klaso ga gacau mata no gati. Hmm. ayo mamila hal haya ga to ya kine amma ai ga hayo wote dai no mu dugudu ai no rizikai na fo ai zibaira hai gwamnato sigin banno gwamnato ko yin banno nim dugu zan kai wono berai ya dinga wajibi ni ganim hagoi diwan chawyon im te berai koniya amma matini no him gite sabili kan gana ne subi kan daira to rot mata na gite songo to ni him gana me zam hun kuna dine ni wani izo chawandika agote ni izo se ya ne mata ni gane ifo he asibata no lauratu ai ga kwanda ihe nono hankan ga ti wani gini funado ah ni di wala asikanu mi ton ka moga eh ai faham son isabu wa wallahi kani ne bon feri, asifila. ya dirmo no igici mu te asibori to za kan so ne ran baga saga ni baga cherry. sallai sai biskiyo dinga kai ni foi mo aim bini ya wo kai agoni bon kondara sambu nga noya eh wallahi la fa so wace se markino ni gingine ri ya cinu ayo ni gogai dukran dino fa kalafan eh, ai ben beno me an nor gara ai ko gor fuwe ga nidu haikan nidu sobai Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti du jour euh, offert par le desk euh, femme du studio Kalangu. Poursuivons cette fois-ci avec la culture linguistique et nous accueillons Alamine Ouachar pour euh, nous édifier sur le mot du jour qui est la vie. La vie. Bonjour, Alamine. Bonjour Seno. Bonjour Rekia. Bonjour. La vie date majeur kalmana ne temodur. Temodur te soka aratana gutne, grisa temodur tanagadem, wala tanashi, wala de rentan al haywan, kulda das natitaon temodur. amaran tumudur tikilew kalow aratanagotnen wazanas zananas datimudurtne wedeni fragadini aratanagotnen datimudurtne wedeni frag astosoda datimudurtne gadim lantu timeren daratan tukukal shininai وزنا زنا سيدرا ويدن ورتي لا وريني لا نتلعب على تنشي نصي هورا تانا تيكا ويدن داتي مدورتني اما كوين دلانت الشغل ان وينسي فرقتني قولات مدورتني غاد يزن انو تمدورت موصرت الى ان المارا امارا يصاهت فلقنا كول في الاساس تتكلم المثال اما كوستنا الله سبحانه وتعالى عن القران ان القاتل والمقتول في جهنم ده غادي اويدن ايمان تسينغيا ان تدوى تين كول جهنمك عرفت المثال كون فيه فلقنا ويقلنا تمدور تموسرة السوهن قول الله سبحانه وتعالى دغادي تمدور تل المعنى أو دنكور ورزي للمعنى أرسل الدار ورتلا استفرغتو تقال أرسلت الدار ورتلا تاكل تزا تقع قرزا تنشغل ولا تقل تاكل تهوسيت أرسلت الدار فلا ستصودا ولا الشغل ويني تاقا قادم كان من دي قلسم لين دا دغدن التاني تاك ورتمدورتني دا غادي تمدو تلا المعنى هولي فلاس أوين دا فري تا وقمي دا قادم أحساسي تا قرط أيدي كتواس الكام دا سيبا دا غادي أننو تمدو تلا المعنى هولين ركيا تسينو ودوان زنا سمعنا تمدو المعنى C'est là tu secoues, <laughs> <laughs> la tête, on dit. Ah ben oui, ben, je sais que en tout cas pour dire merci, c'est Tani Mert. Alors <laughs> Tani Mert euh, à la mine, auditeur, voilà, c'est hein. bien évidemment euh, la culture linguistique à Tamashek ou bien. Oui, oui, bien sûr. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message à au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou expressions que vous aimeriez comprendre en anglais arma, Hausa et Tamashek et Fulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Amadou, je suis un couturier, en même temps maître cuisinier. J'adhère à cette radio. Je le suis en ma langue et en plus euh, le français aussi. Et j'apprécie leur euh, émission quand même. Souvent, ils invitent des gens pour euh, parler sur la vie quotidienne. Plusieurs informations, je les trouve euh, au, niveau des langues. Vous avez un programme complet, franchement. Je n'ai pas vu là où faire des reproches. J'apprécie beaucoup les, les, émissions. Surtout vers 17h, là, j'ai le temps d'écouter la radio. Et je profite de cette euh, occasion pour saluer mon ami Garba Idi qui se trouve au niveau des LR. Boubou Karsumana, professeur à Niamey, mes cousins et mes frères qui se trouvent à Niamey. assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu min wiyte alaji ali amadou min ɗo woni mawɗo e, ruggaɓe warsoɓe dogari e laameɓe ɓe leydi saayi min nettinto kalangu sanne min laasara fo ay mi ɓoyla radio am mi daka ɗo dow radio kalangu hettinade kibaruji niger he leyɗe yaasi fof ko ɓuri welde kam ni woni e eh, wakkati fuu kalangu no wadda filla durooɓe e remoɓe no jooɗori ɗon leydi meɗen niger code postoral gere annda ɗum no haali ɗum ɗon wallahi ɗum nangi hakkillo an sanne radio ji fof kalangu mbiumin no harto no waɗa ɗum ko haani ɓeyda sanne ni woni wurtagol no yiwa ɓiɓɓe leydi ko hitere yii no ɓuri ko nowru nani hunde fof ko woni himɓe radio kalangu fuu miɗo jewta ɗum duggaɓe hane warsooɓe an tawaɓe nder canton mo saayi canton mo wuro guelajo canton mo tammu miɗo wallina ɓe jam faami alfayde Voilà, chers auditeurs, nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour une autre euh, aventure. Vous étiez en compagnie de moi-même, Rakia Arimi, et Ali Munkaila Ousseini Seno. Oui, à l'édition, c'était tout simplement la grande dame Adama Dawaki et à la technique Seini Isaka. Très bon après-midi à vous. Ciao, ciao.